Ils n'ont pas su diversifier euh, leurs euh, différents euh, points, c'est-à-dire l'apport que les différents secteurs du jeu pouvaient leur amener dans ce match. Ils n'ont pas su diversifier. C'est ce qu'ils payent actuellement avec cette remontée de Maputo qui a repris la main dans ce match et qui mentalement a fait un, un gros coup également et qui risque de faire mal aussi dans le quatrième carton, si les patriotes ne se réveillent pas et ne reviennent pas aux fondamentaux qui leur ont permis de faire euh, une première mi-temps remarquable. Tout à fait, Sedina, c'est exactement de quoi il s'agit. Euh, on a vu cette équipe de, des Patriotes, en fait, euh, jouer dans la précipitation, leur causant d'énormes pertes de balles inutiles, alors qu'ils auraient pu assurer leur panier. Euh, et de l'autre côté, on a vu une équipe euh, euh, de Maputo qui a su, à un moment donné, parce que Kabongo était devenu un peu personnel et s'est finalement repris et il a recommencé à jouer comme un, un, meneur de jeu classique. Et en jouant de la sorte, il a pu organiser son, son attaque et on a eu des tirs prisés à trois points deux ou trois fois. Mais nous repartons dans le direct et à tout à l'heure pour la fin du match pour l'instant, tout est un peu équilibré. À l'image du score, Brandon Costner. Oh là là là là, faute offensive, faute offensive de Principe. Qui est pas loin de prendre une technique en plus. Hein. Oh. Alors, est-ce qu'elle est prise, la technique Non, elle est prise, mais pas chérie. Mais, comment ça, il prend une technique L'arbitre venait de le prévenir, c'est pas à vous de me dire ce que je dois faire. Et il a dû lui dire, oui c'est vrai, j'ai compris, mais bon. Avec, euh, <laughs> avec quelle intensité de voix aussi. Euh. Il y a des coups de sifflet un peu, un peu bizarres. Il faut qu'ils restent dans leur match surtout. Malgré cette faute technique. 4 fautes pour Ribé, 4 fautes pour Kostner qui sont pour l'instant tous les deux sur le parquet. Attention parce que si le Ferro arrive à sortir ces deux joueurs-là, ça sera très très délicat ensuite. Pour les Patriots bien sûr. Et on voit toujours. Hein. Oh. Deuxième faute technique alors mais comment c'est ah, Non, non, non, non, une faute anti-sportive tout à l'heure avec le genou dans le dos de, je crois c'était Agumin poiri plus une faute technique, voilà, ça fait éjection. Mais j'aimerais bien qu'on revoie cette faute technique. Il est éjecté. la tête de Barou, elle en dit long, il, il rigole, mais elle est où la faute Elle est où la faute technique a eux de capitaliser sur ça, d'avoir ce qu'on appelle un sursaut moral. Kabongo à mi-distance. Le rebond pour Prince B. Kassana on le retrouve. Et la faute, oh, oh, et la cinquième de Princey de qui n'a vraiment rien oh, réussi aujourd'hui. Elle est bien vendue aussi par euh, Mouchate. Elle est très bien vendue par Mouchate. <laughs> et ça fait revenir Bouchefo Mukota. Regardez, hein. hop, voilà. Il n'aura rien réussi aujourd'hui, Principe. Depuis deux matchs, hein. depuis deux matchs. C'est pour ça que je posais la question de savoir en début de reportage, est-ce qu'il n'est pas meilleur en sortie de banc J'ai l'impression que commencer le match, être starter, ça lui met un peu trop de pression. Ah, sa décharge, c'était contre euh, Monastir, hein, son dernier match. Et ça avait été compliqué pour tout le monde. Et ça, c'est pas compliqué par contre pour Demarcus Hollande. Attention à ne pas lâcher le match pour les Patriotes. Ah, il, est, il sera peut-être le héros qu'on n'attendait pas, hein, Demarcus Hollande. Costner Mugabe. Wamukota, oh, il y a peut-être une faute là par contre sur Wamukota. Kosner à 3 points. Kabongo s'est bien battu au rebond, il a pris un, petit taquet hein, même au passage. Voilà, on va calmer le jeu, on va travailler de la patience, essayer d'user un peu la défense des Patriots. Aïe, aïe, qui perd le ballon, qui lui échappe des mains. Kenny Gassana a peut-être un panier facile. Et eh bien c'était pas facile quand même. Mais en tout cas, il y a deux points de plus. Il s'est quand même retenu. Ça c'est bien. Il s'est retenu de Marcus Hollande. fait de toute façon, ça faisait Ndouane sinon. 21 points pour Gassana. mais il peut blesser le joueur. Il n'y a pas de méchanceté pour l'instant dans ce match. Oh, ça c'est bien fait. Oh, oh, oh, mais il a été attendu. Il a été attendu pour être cueilli comme un fruit mûr. On revoit ici son départ sur sa main droite et, derrière il va être sanctionné par ce contre de Bouchoua Moukota. Là on revoit la contre-attaque de Kinigasana. Oh, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, Dieu donné disayer. Il n'a pas le droit à ce moment du match. Aristide Mugabe à 3 points. Voilà, 3 points de plus pour les Patriotes qui reviennent à un point. Le capitaine a pris ses responsabilités. passe au sol pour Barou. Et le ballon va être perdu encore une fois. deux fois hein, que Barou perd le ballon avec les mains un peu savonneuses. Avec les mains carrément savonneuses, on peut le dire. Le retour d'Alvaro Massa pour essayer de refaire un, un meilleur écart là pour euh, le Ferroviario Mugabe qui fait du bien en tout cas dans cette partie. Kosner, Womukota, le hook. Et il y aura faute offensive encore une fois, décidément. Que de fautes. Le pire, le pire c'est qu'ils font beaucoup de fautes, mais ils n'en font pas en défendant. Ils font des fautes en attaquant. Ça, c'est quand même désagréable pour un coach. Allez, Massa, Kabongo sur de dribble, il va se faire cueillir une deuxième fois peut-être. Barou Il faut ressortir le ballon. Il va y aller, finalement, ça s'est bien joué, il en a trop mis sur la planche. Et faute commise par Dieu de Lindizé. 53, ça va commencer à se crisper Malik. Plus on va avancer dans ce quatrième carton, et plus les ballons vont compter. De Marcus Hollande à 3 points qui envoie un avion un peu. Kabongo. Récupéré par Kabongo. Il y a 14 secondes pour travailler qui est passé face à Bouche. Il ressort. Mouchaté. Deux secondes. paire de balle. Est-ce qu'il va aller au bout Et Barreau est bien revenu, mais finalement Bouche. Non, c'est euh, Sagamba. pardon. L'extra passe de Kinigasana, c'est bien sorti ça. si vous entendez l'ovation c'est parce que nos VIP sont de retour. Derrière nous, ça y est, ça recommence à être la cohue, euh, Malik. Kenny Gassana. Aristide Mugabe à trois points encore une fois Aristide <laughs> Mugabe. Encore ouvert, encore ouvert en tête de raquette. Mugabe. 4 sur 6 aujourd'hui pour le capitaine de cette équipe. Et ça permet aux Patriotes de repasser devant. Kabongo la passe dans le dos Barou. Et là, ça y est, c'est le ferro qui ne rentre plus rien. Sagamba, Kosner. Ah, c'est pas mal. Cette attaque avec deux meneurs, Sagamba et Mugabe, ça peut être une bonne trouvaille. Et Barou, sur la ligne de passe, il va aller jusqu'au bout. Et il arrive pas, mais pas à faire ce dunk. Quel dommage, il en a trop mis. Je crois qu'il a un problème de préemption du ballon. Tout lui glisse des mains. Et Mugabe derrière. Cinquième réussite du match pour Aristide Mugabe. Mugabe, c'est le facteur X ce soir qu'il est en train de faire Capitaine Mugabe prend ses responsabilités et devient le facteur X. 66-61, les Patriotes reprennent le devant devant cette équipe euh, euh, de Maputo grâce à un grand Mugabe qui plante deux tirs à trois points qui permet à son équipe de prendre l'avantage. On peut voir là actuellement euh, le président, le le président Pat est en train de regarder le match avec un engouement spécial. Euh, ça a dû le réveiller parce que euh, les efforts qui sont faits par cette équipe, euh, du moins par le gouvernement rwandais pour développer le basketball dans leur pays est énorme. Et il faudrait quand même que les résultats suivent et ce serait une bonne chose en tout cas pour le reste de la compétition que cette équipe de Patriot Basketball Club puisse jouer cette demi-finale qui aura lieu dans deux jours contre l'US Monastir. C'est une, euh, ça, permettra d'attirer le public. De toute manière. c'est pendant le week-end. Il y aura de nombreuses personnes qui vont pouvoir venir en dépit des conditions post-Covid où les sièges sont euh, limités. Mais on voit euh, au bon moment cette équipe de, de, Patriotes qui revient. On revient au direct à 5 minutes 13 secondes à 5 minutes de la fin de ce quart de finale. Il n'y a que 5 points d'écart. Ne nous emballons pas. Eh faute de Gassana sur le démarquage d'Alvaro Massa. Il n'y a, pas de, a pas de problème pour les fautes pour l'instant pour Gassana, c'est que sa deuxième. Oui, en revanche, c'est là. la collective. En revanche, c'était la cinquième collective. Et ça, c'est un peu plus problématique. C'est impeccable sur la ligne, il en a vu d'autres. Oh, il faut technique. Technique aussi. Contre Emmanuel Mavomo. Oh là là là là là là là. L'assistant coach des Patriotes ça offre un, point, en tout cas un lancer, On ne peut pas s'emballer non plus, mais, ça offre un lancer, un point. Mais c'est surtout que derrière ça, la possession de balle, a priori, reviendrait au ferroviaire je... Pas du tout. La possession est pour les Patriotes. Mais par contre, Malik, on n'a plus qu'une possession d'écart. tout à refaire. C'est pas plus mal pour nous, c'est l'air Kabongo qui désormais surveille bien Mugabe. Hein. en échec. Le Kabongo, le voici. Tout en accélération. Nichate. Les mains de, euh, de Kenny Gassana c'est un temps mort dans ce quatrième carton. 4-32 à jouer. On va prendre un dernier petit break de pub, 4 minutes 32 secondes, euh, la marque de 66-64 en faveur de, des Patriots Basketball Club contre le Ferrovario. Il faut s'attendre à une fin euh, très compétitive de ce dernier quart de finale qui oppose euh, cette équipe de Kigali au Rwanda à celle de Maputo du Mozambique. On voit deux équipes qui, sont en train de survivre dans cette compétition et d'avoir l'honneur de jouer la première demi-finale de l'histoire euh, de la Ligue euh, africaine de basketball. Euh, l'enjeu est important et il est encore plus important pour cette équipe de Kigali qui est quand même le pays qui accueille cette compétition ce serait, comme je dis, une cerise sur le gâteau pour les efforts qui sont menés dans une politique de développement du basketball dans ce pays, au niveau des infrastructures en particulier, euh, avec leur disposition à vouloir euh, euh, voir à être dans tous les matchs. C'est une très très bonne chose et nous pensons, en tout cas moi en tant qu'amoureux du basket, ces images de Kigali euh, je l'espère, vont encourager euh, les dirigeants de plusieurs pays africains à suivre cet exemple. N'oublions pas que euh, L'Afrique est probablement le plus grand réservoir de basketball du monde et il faudrait qu'on maximise et qu'on forme notre jeunesse non pas seulement pour jouer euh, pour jouer au basket, tout le monde ne jouera pas professionnel, mais le sport permet euh, d'éduquer les enfants. C'est une école de la vie. On repart dans le direct 66-64. Petro de Luanda et l'US Monastir chaque possession va valoir son pesant d'or. Marcus Hollande, Alvaro Massa. Oh, bien joué, Alvaro Massa. Oh, la claquette de vieux roublard. Hein. Il, empêche Wamukota de sauter avec sa main gauche et puis il fait sa petite claquette. Cosner. Qui perd le ballon par contre Wamukota. le flopping, le gros flopping là de Costner. Et il a même fait mal à, à, dans l'histoire. Massa. Et la faute, elle est contre Massa, encore une fois. Ah non, ah non. Il s'apprête à aller sur la ligne de lancer franc. Et puis on lui rappelle que non, non, non, la faute, elle est bien contre lui. on le voit bien tenir aussi le bras d'Aristide Mugabe. Hein. Et encore une fois, encore une fois, Aristide Mugabe. Aristide Mugabe, lui, ne tremble pas. Qu'est-ce qu'il fait du bien à son équipe Non, il ah, et ça floppe là, ça flop de part Elle est contre, euh, contre Cédar Sagamba, bien sûr. Je floppe moi non plus. On revoit le shoot à, à 3 points pour Aristide Mugabe, les deux points serrés. Quelle adresse pour Aristide Mugabe aujourd'hui, il est à 6 sur 8. Non mais c'est incroyable. C'est le facteur X. Jamais un joueur dans, cette Basketball Africa League hein, sur la première semaine n'avait mis autant de shoots à 3 points. Hein. Si c'est un record, on n'en pas douter Et surtout, il shoot avec un très haut pourcentage. Avec le toucher quand même, pour revenir à un point. 3-30 dans cette partie. Kinigasana, Kosner, est toujours là malgré ses 5, ses 4 fautes. Gassana, il y a une petite poussette, non L'interception. Kabongo va aller jusqu'au bout. Massa avec la planche. Encore une fois, c'est lui qui est en train de les porter, Malik. C'est encore lui qui est là. Euh, encore une faute technique. Encore une faute technique. Elles sont. Elles... J'aimerais bien, j'aimerais oui, bien voir Alors. Chaté. La faute, elle est sur Kabongo. Il a réclamé un lancer bonus, je crois, et ça n'a pas plu à l'arbitre. Les deux techniques sont, euh, sont dures. Non, mais c'est même pas dur, Malik. Elles sont, elles sont. On est gentil. Elles sont improbables. C'est n'importe quoi. Et ça rentre pas. Par contre, il y a rebond offensif. Gassana. Oh là, c'est dommage. Là, il envoie une énorme brique. C'est un rebond important là pour Bouchoua Moukota Malik, 3 minutes à jouer, 70 partout, on n'est pas plus avancé. L'écran de Barou. Kabongo. Barou a bien nettoyé le rebond. ça, ressort. Le shoot à trois points très très très court. Aïe aïe aïe. aïe ah, ils vont se faire mal. Ça glisse de Marcus Hollande. Attention, on pas allé s'enfermer. Eh oh oui, eh oui, eh oui. La bonne pression défensive, encore une fois, de Cédar Sagamba. Aïe, aïe, aïe, on croise les doigts, on croise les doigts dans, dans les tribunes. <laughs> que ça devient crispant dans ce dernier quart de finale. 2 minutes 22 à jouer. Mugabe. Gassana Cosner, les bonnes mains. Finalement ça continue. Ah mais c'est difficile, marcher, marcher, voilà. La bonne pression hein, de part du Ferro. Ils font un match courageux, ils font un match solide. Et surtout, ils restent dans le match parce qu'ils ont toujours les circonstances favorables, mais ils font un match sérieux, solide. Parce qu'on peut pas dire qu'ils aient les coups de sifflet pour l'instant. J'essayais de le dire de façon diplomatique. Ouais, oh, mais il faut, il faut être honnête à un moment donné, Malik. Les diplomates sont pas tous malhonnêtes. Non, non, non, non c'est vrai, c'est vrai. Kabongo, Barou, deux secondes sur la possession, fallait envoyer Kabongo. Et toujours 70 partout. <laughs> Il n'y a plus personne qui marque là. Kenny Gassana, c'est peut-être de lui que ça va venir. Omukota qui refuse le shoot à 3 points. Kosner. Mugabe est complètement chaud dans cette partie, mais il, est très très court. Oh, rebond encore une fois, très important de la part des Bouchois Moukota Kosner. Et oh, il arrive peut-être du grabuge là à l'intérieur. Il y aura une faute. Il était pas loin de la faute offensive. Il était pas loin. La faute offensive euh, le sortirait du match, hein, on, le sait. Alors, est-ce qu'il est à l'intérieur de toute façon Il est à euh, l'intérieur, Il, y aurait quoi qu'il arrive pas eu faute offensive. Alors que Badio Kimonzo fait son retour. 14. Et un point d'avance désormais pour les Patriots. Il va falloir avoir les nerfs solides de chaque côté. le deuxième est manqué, le rebond offensif et il est dehors, Bouche. Ah, c'est dommage, hein. c'est dommage pour Bouche, pour Mokota qui avait bien contourné à Barou pour aller capter ce rebond. Malheureusement, il met le pied en touche. Attention partout. Kabongo. L'écran de Barou. Possession importantissime pour le Ferroviaro. Givanzo, 8 secondes. Barou. Allez, il faut travailler, il faut travailler. Carbongo. Oh, ça va être très très compliqué, très très compliqué. C'est une très mauvaise possession offensive là pour le Ferro. Et derrière, elle disait, il va aller poster. Non, c'est raté. Oh là là là là, ça va être le poster de la soirée. Alors qu'est-ce qui se passe Alors, la possession a priori est pour Ferroviaro parce que Adjaye ne touche pas. Ah, il touche pas le ballon, voilà. certain, hein. Et est contré par l'Arceau Oh là là là, le poster que ça aurait été. Alors ah, désolé Malik, mais on aurait eu un poster d'Adjei Barou ah bah, je prends moi. Ah oui, mais il n'est pas du bon côté du poster <laughs> malheureusement. je prends. À 38 euh, secondes, à 38,7 euh, secondes, l'équipe de Patriots mène d'un point devant cette équipe de Ferrovario. Euh, temps de par l'équipe de Ferrovario qui devrait avoir la possession du ballon après un, un dunk, un smash manqué par leur euh, joueur en contre-attaque serait pu euh, clôturer euh, ce match et leur donner l'avantage euh, à trois points d'avance serait permis à cette équipe de, à la limite de faire une faute exprès pour récupérer le ballon. Mais au lieu de cela, ils sont obligés maintenant de jouer une très très bonne défense, ne pas encaisser et essayer de gérer le, reste du match qui va suivre. En tout cas, c'est un match d'un certain niveau. Il y a beaucoup de suspense. 71-70 tout peut se passer. Euh, chacune des équipes a l'opportunité de l'emporter. Vous savez qu'au basket, euh, même si euh, avait marqué deux points, ça aurait été que trois points. Ça donnait toujours l'occasion au Ferro Vario de, d'égaliser. Mais maintenant, <clears throat> est-ce que le Ferro Vario va prendre un trois points pour mettre la pression sur cette équipe de Patriote Nous le saurons dans quelques secondes. 38.7 euh, secondes à jouer et on repart pour le direct. Pas loin, oh de piquer ce ballon, hein, une disait. Et là, ça va frotter, évidemment, sur chaque ballon, sur chaque possession, sur chaque seconde, les 30 dernières de cette partie de Marcus Hollande. Pour Massa, tout seul, à 3 points. Un petit peu court. Et les Patriots ne doivent surtout pas se précipiter. Il faut faire faute. Voilà, il faut faire faute. <laughs> ah, Mugabe Il est en, il est en fusion. Ah, il aura fait un carnage à trois points. Il est en fusion. Et là, il y a obligation de marquer les deux lancers francs. Oh là là là là. Eh oui. Il ne marque pas les deux. Parce que derrière, si le goal du ferroviario a un temps il prend un temps ça va faire avancer le ballon dans le grain des Patriotes et ils peuvent soit gagner, soit viser la prolongation. Et le premier est manqué, et attention, s'il manque le deuxième, ça pourrait être dramatique peut-être pour les Patriotes. On va peut-être l'avoir, notre buzzer beater. Brandon Costner. 1 sur 2 quand même. Alors, ils prennent pas de temps mort. Ils ont confiance en leur capacité. Ils ont le ballon de la gagne ou de l'égalisation. Kabongo. Barou. Ah. Il aura une faute. Il aura une faute. <laughs> oh là là là là là, ça a failli être la fin de l'aventure de Ferroviario. Voilà. Ils sont encore en vie, mais il va falloir un Jay Barou impeccable, obligatoirement. Ben, j'ai vu le signe du coach des Patriotes qui demandait à mort si le deuxième lancer franc est marqué. Et il le rate, et il le rate, et ça va être désormais très très compliqué pour le ferroviario de Maputo qui est sur le point de sortir de cette Basketball Africa League. et un sur deux quand même. Voilà. Thomas, demandé par les Patriots. On l'a dit. La Kigali Arena, elle apprécie. <laughs> on l'a dit, hein. On l'a dit. 72-71 pour les Patriots Basketball Club devant le Arvio de Maputo. À 3.3 secondes de la fin de ce match, c'est une euh, un match à suspense. Euh, le coach de l'équipe de Patriots demande un temps pour pour faire une bonne entrée en jeu, de telle manière à ce que son équipe ne perde pas le ballon. Donc il leur appartient de pouvoir rentrer ce ballon euh, sans le perdre. Je suppose que s'il rentre et qu'un joueur de, de, Patriots touche le ballon, il y aura, euh, je suis convaincu, une faute commise immédiatement par, par l'équipe de Ferro Ravirio pour pouvoir remporter ce match-là. Ou du moins pouvoir leur donner la chance de pouvoir tirer à trois points pour égaliser dans le cas contraire. Dans la zone inverse. Il restera un temps mort, hein, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si le derrière. n'avait plus de temps mort, mais j'ai été surpris qu'il n'en prenne pas un à 11 secondes de la fin. Il faut faire faute très vite. Et la faute est faite très vite. Aïe, aïe. Et là, il y a eu euh, carambolage. Là, il a glissé de Marcus Hollande et il s'est un peu brûlé le, coude là. Ah, ça fait très mal, ça, quand ça arrive. en plus de ça, il s'est fait tacler par Mika Bongo juste après. Et là, l'ambiance, elle est magnifique hein, dans cette Kigali Arena. <laughs> On revoit l'image. Il n'a pas de frein, Mika Bongo. Et il faut impérativement mettre les deux. Et ça ne rentre pas pour Kenny Gassana. Il va rester deux secondes et 7 dixièmes. Si le Ferroviario a un temps mort, ce n'est pas fini. Maintenant, Gassana, il peut le louper exprès aussi se lancer. il le met quand même.